le forum du studio le forum le forum le forum le forum le forum le forum le forum le forum forum Il est 18h15 à Niamey, c'est l'heure du forum du studio Kalangou dans une présentation de Mokhtar Hamadou. Madame, Monsieur, bonsoir et merci de votre fidélité au programme du studio Kalangou. Les programmes du studio Kalangou sont diffusés en direct par 34 radios partenaires dans toutes les 8 régions du Niger. À Niamey, vous nous suivez sur Alternative FM 99.4 MHz, Enfani FM 100 MHz, Kwaratagi FM 90 89.9 MHz et Challenge FM 96.6 MHz. Notre page Facebook Studio Kalangu. Notre site internet www.studiokalangu.org. Nos émissions sont également sur WhatsApp. Le forum du Studio Kalangu est un espace d'échange, de débat, d'éducation et de sensibilisation à travers lequel des personnes ressources apportent des réponses aux préoccupations des citoyens sur des questions d'actualité ou des sociétés. Aujourd'hui, le forum studio Kalangou s'intéresse aux préparatifs de la campagne agricole 2018 au Niger. Pour euh, développer ce sujet, nous avons dans ce studio Ide Yakuba, directeur de la promotion des filières végétales et de la qualité à la direction générale de l'agriculture au ministère de l'agriculture et de l'élevage. Ide Yakuba, bonsoir. Bonsoir. Avec nous également Bawa Ibrahim, directeur des interventions phytosanitaires et de la formation à la direction de la protection des végétaux. Abdou Bawa Ibrahim, bonsoir. Bonsoir, monsieur. Nous attendons d'un moment à l'autre Sido Isaka de la plateforme paysanne. Selon le directeur général de l'agriculture, euh, Dr Yahya Garba, à travers le Sahel dimanche du vendredi 29 juin dernier, à la date euh, du 10 juin 2018, euh, sur les 12 464 villages agricoles, 5 725 villages agricoles ont effectué des semis effectifs de mil et de sorgho, soit 46%. Les premières pluies utiles ont été enregistrées au cours de la deuxième des de dans plusieurs localités du pays. Ces précipitations ont permis le démarrage des semi partiels de mille dans les régions de Dosso, Maradi, Tawa, Tilaberi et Zander. Ce taux est équivalent à celui de l'année passée à la même période. Le stade de développement du mille et du sorgho reste largement dominé par la levée. Néanmoins, le stade de levée avancé est observé pour le mille au niveau de certaines localités et des régions de Dosso, Maradi, Tawa, Tilaberi et Zandera. Par rapport à la situation phytosanitaire, aucune menace majeure n'a été signalée sur l'agriculture. cultures. Ide de la Direction générale de l'agriculture, est-ce que tous les 12 464 villages agricoles ont pu s'aimer Merci de nous avoir donné l'occasion pour euh, éclairer la population du Niger par rapport euh, au déroulement de la campagne agricole de 2018. À la date du 30 juin, c'est-à-dire il y a 4 jours, nous avons 10 277 villages qui ont semé sur les 12 000. Donc on est environ à 87% des villages agricoles qui ont procédé au semis aux semis qui ont réussi, parce qu'il y a d'autres qui ont eu des avortements suite aux sécheresses et aux inondations. Actuellement, les semis qui ont tenu sont de l'ordre de 87%. Par contre, à la même date, en 2017, nous étions à 89%. Donc il y a deux points qui constituent un retard par rapport à l'année passée. Deux points seulement. Deux points. Est-ce que ce n'est pas un frein ou bien ce n'est pas une inquiétude Non, mais ce n'est pas une inquiétude. De toutes les façons, à l'heure où je vous parle, je n'ai pas la situation exacte au 3 juillet, mais je suis sûr que les 87% dont je viens de parler a sensiblement évolué. Parce que nous faisons la situation par décade. Chaque 10 jours, nous faisons le point des choses. Actuellement, en tout cas, je n'a pas, pas la certitude que c'est les 100%, mais ça a largement dépassé ce qu'on avait au 30 euh, juin. Kouba, comment se présente le suivi euh, des stades phénologiques des cultures Bon, le stade phénologique des cultures, euh, le stade dominant, c'est la levée. Nous avons dans la région de Dosso, notamment la zone de Gaïa, où le millet en montaison. Le maïs, c'est presque la récolte parce que les gens sont en train de consommer le maïs frais. Dans la bande sud euh, de Maradi aussi, c'est le stade levé avancé montaison ainsi qu'une infime partie de la région de Tilaberi. Donc, euh, pour le mil, les autres cultures, c'est, on est en processus le niévé, le sorgho, c'est la levée et le processus de semis qui se poursuit. Quelles sont les dispositions prises par le gouvernement pour mieux accompagner les paysans et les producteurs Bon, les dispositions prises par le gouvernement, c'est d'abord euh, appuyer les villages ayant connu des problèmes en 2017 où le gouvernement a mis à leur disposition 7205 ou 210 tonnes de semences, toutes variétés confondues. Et c'est réparti sur l'ensemble du territoire national. Et l'État, à travers les projets et les programmes, accompagne les producteurs dans la maîtrise des itinéraires techniques avec l'installation de ce que nous appelons des champs écoles agro-silvopastoraux, où c'est l'ensemble. Des champs agro-silvopastoraux Les champs écoles agro-silvopastoraux, c'est-à-dire que c'est des itinéraires que nous démontrons au niveau d'une parcelle. Des champs pilotes Des champs pilotes où l'apprentissage des producteurs euh, se fait. Et nous espérons qu'avec avec 3 euh, ans, 4 ans d'exercice, euh, les populations peuvent maîtriser certains itinéraires techniques et surtout la préservation et la conservation du potentiel productif. parce que c'est ça le plus menaçant. Si on n'a pas de terre pour produire, eh, nous ne pouvons pas eh, assurer la sécurité alimentaire des populations. Donc à travers ça aussi, nous, nous accompagnons les producteurs. Nous accompagnons les producteurs également dans la formation de l'encadrement de proximité qui sont outillés, enfin les agents sont outillés pour pouvoir répondre à certaines préoccupations des populations, que ce soit en matière, euh, en itinéraire technique, que ce soit en, traitement phytosanitaire, etc., etc. En tout cas, eux, ils sont, chaque début d'année, nous, les, nous renforçons leurs capacités. Sur toute l'étendue du territoire Sur toute l'étendue du territoire, à travers les budgets de l'État, à travers les projets et programmes. Abdou Bawa Ibrahim de la direction de la protection des végétaux, quelles sont les dispositions prises par le gouvernement pour véritablement lutter contre les ennemis et des cultures Merci euh, pour cette opportunité qui nous permet euh, d'échanger avec euh, en tout cas, le monde rural en général à ses débuts, n'est-ce pas, de campagne agricole. Alors les dispositions prises par le gouvernement pour faire face aux, éventuelles attaques euh, parasitaires sur les, cultures. C'est depuis le démarrage de, cette campagne-là, des produits phytosanitaires et appareils de traitement ont été placés très rapidement au niveau de toutes les régions et aussi un certain nombre de stocks au niveau euh, national, un stock euh, de sécurité qui permet à tout moment d'appuyer ces régions, donc sont mis en place et donc reste à la disposition des paysans. À la date du, 31 juin 2018, environ 45 euh, 000 litres euh, de pesticides sont prédisposés au niveau de ces régions et à Niamey pour couvrir environ 42 000 hectares de, superficie à traiter. Après cela, il y a euh, deux semaines de cela, 15 000 litres de, de pesticides ont été acquis sous forme d'autorisation de, des dépenses dispatchées au niveau de toutes les régions, donc euh, sur financement propre de l'État, pour avoir quand même un, stock assez substantiel afin de pouvoir faire face aux, éventuelles attaques. Tout récemment, eh, le gouvernement nous a fait une annonce d'environ 260 eh, 000 litres de pesticides pour couvrir environ près de 300 000 hectares en culture pluviale et en culture irriguée. Donc, euh, cette annonce va prendre une procédure d'urgence pour que très rapidement, dans les deux ou trois semaines qui suivent, n'est-ce pas, que nous soyons en possession de ces moyens de travail euh, afin de pouvoir faire face aux, éventuelles euh, attaques parasitaires. Abdoubawa Ibrahim, au jour d'aujourd'hui, est-ce qu'il y a déjà eu des premiers cas d'attaque enregistrés Alors, à la date du 31 juin 2018, la situation phytosanitaire est globalement calme l'ensemble. Cependant, on note euh, quelques foyers localisés d'infestations de chenilles, de foliatrices, des rongeurs et de cicadelles dans deux régions précisément, la région de Maradi dans le département de Madaronfa et la région de Zander dans les départements de Mria et de Dongas. Par rapport à ces infestations de, chenilles, de foliatrices et de rongeurs, le contrôle donc euh, a couvert 200 hectares donc 200 hectares de superficie ont été traités. Donc, comme je vous ai dit, c'est vraiment des attaques sporadiques qui ont été maîtrisées. Abdoubawa Ibrahim, qu'en est-il de la disponibilité des produits phytosanitaires Est-ce que vous êtes en mesure de couvrir toute l'étendue du territoire national en cas de menace En tout cas, jusqu'à preuve de contraire, euh, déjà nous pensons que euh, le mois de juillet, n'est-ce pas, nous avons de quoi, en tout cas, couvrir tout le mois de juillet, même s'il y a des infestations. Et comme je l'ai dit tantôt, nous attendons en tout cas de pied ferme, dans les deux à trois semaines qui viennent, une dotation très importante de près de 260 000 litres de pesticides, n'est-ce pas, pour couvrir près de 300 000 hectares sur, en tout cas, les deux campagnes. Donc, la campagne en cours d'hivernage 2018 et la campagne irriguée n'est-ce pas, qui viendra après la fin de cette campagne. C'est pour, vous dire que même pour la campagne irriguée, normalement, d'ici peu de temps, nous allons être euh, prêts. Y a-t-il suffisamment de personnel qualifié pour couvrir euh, tous les besoins Au niveau du personnel, là, je dirais que, vous savez, la situation phytosanitaire, euh, la protection des végétaux utilise un maillon qui va de la base au sommet, donc des brigadiers phytosanitaires en passant par les agents vulgarisateurs de base jusqu'au niveau département où on a des agents PV que nous appelons les chefs d'antenne. Au niveau des régions, nous avons les chefs de services régionaux pour arriver en tout cas au sommet au niveau de la portion centrale. Donc c'est un moyen qui utilise vraiment euh, plusieurs catégories d'intervenants. Mais par rapport au cadre, il faut noter que là vraiment on a une insuffisance notoire, n'est-ce pas, des cadres, n'est-ce pas, au niveau des régions, notamment dans les régions, dans les départements et dans les communes. C'est pourquoi à chaque fois nous mettons l'accent sur euh, la formation et l'équipement des, brigadiers phytosanitaires pour prendre le relais à tout moment et leur encadrement est bien sûr assuré par les chefs d'antenne au niveau des départements qui, comme je l'ai dit, le nombre est vraiment insuffisant parce que beaucoup sont partis à, à la retraite, plusieurs postes sont vacants, mais bon, on gère la situation comme ça jusqu'à preuve du contraire. Edi Yakuba, quelle est la situation au jour d'aujourd'hui euh, des aménagements hydro-agricoles Les aménagements hydro-agricoles, euh, je pense que, en tout cas, nous n'avons pas enregistré des inondations, mais il y a des, aménagements qui sont en cours de réhabilitation sur euh, les fonds des partenaires techniques et financiers. Et je pense que, en tout cas, au jour d'aujourd'hui, nous n'avons pas d'informations sur des inondations mais les gens sont en train de préparer les pépinières et ils sont en train de faire les labours pour pouvoir entamer le répliquage. Est-ce qu'il y a des dispositions qui ont été prises pour euh, faire face à d'éventuelles euh, montées des eaux Bon, déjà, il y a des brigades euh, d'intervention logées au niveau de l'ONARA. Et ces brigades-là sont assez équipées. En tout cas, cette année, ils sont largement équipés euh, par rapport aux autres années. Et je pense qu'ils peuvent euh, intervenir et circonscrire d'éventuelles inondations. Tout récemment, il y a des digues qui ont été construites euh, au niveau de, de, la région de Niamey. Est-ce que ça veut dire qu'il n'y aura pas de crainte Bon, moi je ne dis pas qu'il n'y aura pas de crainte parce qu'on ne connaît pas le volume de l'eau qui sera charriée parce que, comme vous le savez, le fleuve Niger reçoit de l'eau des affluents et de la graine crue de la Haute-Guinée. Selon les prévisions, on n'avait pas de montée assez grave qui serait annoncée. Mais c'est pour ça, euh, je pense que c'est pour éviter euh, toute inondation que nous avons pris des dispositions pour rehausser les digues, pour euh, les conforter, pour que nous puissions conduire assez correctement les cultures de riz au niveau de l'ensemble des aménagements hydroagricoles. Idi Yakuba, tout à l'heure, vous le disiez qu'il y a eu des poches de sécheresse qui ont déjà entraîné des pertes de semis dans plusieurs localités du pays. Est-ce que cette situation n'aura pas de conséquences sur la campagne agricole en cours non, j'ai dit qu'il y a des ressemis qui ont été effectués. C'est notamment des zones que nous avons connues l'an passé, la zone de Dosso, au nord, euh, surtout le département de Duchi. Il y a quelques poches qui sont observées au niveau de Tilabiri. Mais je pense que ce n'est pas aussi inquiétant que l'an passé, parce que l'an passé, au 31 juillet, la zone de Matankari, Sukukutan, et Kiria, les gens n'ont pas semé. Et cette année, je pense que le, ils ont semé, mais il y a eu des avortements de semé et ils ont ressemé. Je pense que avec le processus euh, que nous avons constaté, surtout les fréquences des pluies, ça va se rattraper. Peut-être la seule crainte, s'il y a beaucoup de pluie, comme euh, les sols sont assez lessivés, notamment dans la région de Boboy, euh, ça risque de ralentir la croissance. la croissance des plantes. Le remède qu'il faut, c'est peut-être euh, apporter suffisamment d'engrais et de la fumure organique pour un peu donner un coup de fouet aux différentes à la croissance des plantes. Vous pensez que c'est uniquement au niveau des aménagements qu'on produit Les zones où il est fait les cultures irriguées en, saison sèche, parce que on vient de me saisir que dans la commune rurale de Ouacha, il y a eu des inondations. Les gens sont en train de répliquer. Il y a eu des inondations et nous avons demandé à ce que euh, l'étendue des dégâts soient évalués Et l'évaluation est en cours. Nous sommes en veille sur l'ensemble du territoire. Partout où on peut produire, en tout cas, nous avons demandé que ce soit aux maires, aux agents, aux autorités euh, départementales, pour que la moindre inondation soit déclarée, pour que nous puissions évaluer les dégâts je pense que ça aussi, ce dispositif est opérationnel. Le riz hors aménagement, est-ce que c'est un apport euh, important dans le cadre de la production nationale C'est un apport très important, mais malheureusement, dans les statistiques agricoles, ça ne ressort pas. Mais nous venons de boucler une enquête où nous avons constaté que le riz hors aménagement triple même la production des aménagements. Parce que nous avons ce riz-là qui va vers le Nigeria estimé à près de 250 000 tonnes. Et dit mais pourquoi euh, ça ne ressort pas au niveau des statistiques C'est parce que les statistiques, c'est des zones de dénombrement qu'ils ont instituées. Et compte tenu de la nouvelle donne, l'introduction du riz au raménagement, avant, on ne le faisait pas. Maintenant, depuis 2014, nous sommes en train de le conduire. Et je pense qu'en tout cas, on a pris des dispositions avec euh, la direction de la statistique pour que nous puissions faire le point des zones résidus cultivables et surtout les zones mises en valeur en hors aménagement. Nous sommes là-dessus. J'ai travaillé avec le directeur de la statistique euh, la semaine passée et nous pensons que pour les statistiques de 2018, ça, ça va sortir. Abdou Bawa Ibrahima, vous avez quelque chose à ajouter Bon, euh, ce que j'ai à ajouter, c'est en fait euh, dans le cadre du suivi phytosanitaire de la campagne. La plus grande difficulté que la direction de la protection des végétaux rencontre, c'est par rapport aux signalisations et aux déclarations tardives des ennemis de culture. Donc, c'est pour en tout cas donner euh, un signal au niveau de, de nos producteurs pour que dès les premières infestations, qu'ils puissent informer. À ce niveau, est-ce que c'est les producteurs qui informent ou bien c'est les autorités locales euh, qui informent Mais la première personne concernée, c'est l'agriculteur. C'est lui qui voit son champ menacé. Donc, il doit pouvoir informer ou le chef de district qui est au niveau de sa localité, ou le responsable communal, ou l'agent vulgarisateur de base, pour que l'information remonte au moins au niveau départemental afin que les agents puissent aller vérifier et intervenir au besoin. C'est pourquoi notre appel va surtout à l'endroit des agriculteurs pour que dès les premiers indices, qu'ils puissent informer les agents de l'agriculture afin que l'information puisse remonter pour que des, dispositions qui s'imposent puissent être prises. En cas euh, d'une information tardive, est-ce que vous pouvez faire quelque chose, vous pouvez remédier à, quelque chose On peut remédier dans certains cas, mais dans d'autres cas, si euh, la situation euh, devient en tout cas très abondante, il serait très difficile en tout cas de maîtriser la situation dans un laps de temps. Mais une fois que les attaques sont signalées à temps, on intervient à temps et puis le, le mal est circonscrit. Mais quand on laisse les choses évoluer, vous savez, les ravageurs, ils n'attendent pas. S'il s'agit par exemple des, des quand on assiste à une éclosion des sotoriaux, si vous n'intervenez pas à temps, une semaine, deux semaines après, quand vous revenez, vous allez juste constater les dégâts seulement. Vous allez remarquer que tous les champs sont défoliés tout simplement. En ce moment, ce n'est même pas nécessaire d'intervenir puisque les dégâts sont faits. Alors que quand on informe à temps, on circonscrit rapidement le mal et puis le problème est réglé. Donc voilà pourquoi, en tout cas, nous lançons toujours un appel à l'endroit des agriculteurs pour signaler à temps dès qu'ils voient les premières infestations. Et ils savent où s'adresser. Par rapport à ça, normalement, il n'y a pas de problème. Mais c'est l'information qui ne remonte pas à temps. Selon toujours euh, le directeur général de l'agriculture, Dr Yahya Garba, rapporté par euh, le dernier numéro du Sahel dimanche, pour euh, une bonne réussite de la campagne agro-silvopastorale 2018, des dispositions ont été prises dans la mise en place des semences de variétés améliorées. À cet effet, 7585 tonnes de semences, toutes espèces confondues, sont en cours de placement au niveau des départements et communes. À cela s'ajoute la mise en place de 22 469 tonnes d'engrais sur un besoin exprimé de 50 000 tonnes. Le gap qui est donc euh, de 27 531 tonnes est en cours de mobilisation. Abdoubawa Ibrahima euh, du service de la protection des végétaux. Les produits phytosanitaires sont-ils accessibles aux paysans et aux producteurs Effectivement, par rapport aux produits phytosanitaires, nous avons une stratégie d'intervention qui consiste à quoi Vous savez, les produits phytosanitaires, c'est des poisons. Ce n'est pas comme, euh, en tout cas, euh, des vivres où on peut faire une distribution gratuite, donnée aux gens qui les gardent pour qu'au moment opportun, ils interviennent. Non. Les pesticides sont, des, produits très dangereux pour la santé humaine, animale et pour l'environnement. Donc, c'est pour cela que, par rapport donc euh, à la mise en place de ces produits-là, nous nous limitons uniquement au niveau des spécialistes dans un premier temps, donc les agents de l'agriculture, au niveau des régions, les régionaux, au niveau des départements, les chefs d'antenne et au niveau des communes, les chefs de district agricoles qu'on appelle euh, généralement les agents vulgarisateurs de base. Donc nous mettons à leur disposition des stocks de proximité pour qu'au moment opportun, lorsque les brigadiers viennent les voir, ils les livrent les produits et les appareils et ils supervisent, ils les encadrent et ils suivent les traitements. Donc ces produits ne sont pas mis à la disposition directement à la disposition des agriculteurs. Mais c'est au niveau des agents de l'agriculture qui sont vraiment formés pour la gestion sécuritaire de ces produits et qui, sont formés à, à, à l'utilisation, à la manipulation, en collaboration donc avec les brigades villageoises d'intervention. Donc voilà comment ça se passe. Abdoubawa Ibrahim, comment faire pour éviter ou minimiser les risques euh, de mauvaise manipulation euh, de ces produits dont certains sont hautement toxiques Vous l'avez rappelé tout de suite. C'est la formation. C'est pourquoi nous, généralement, nous mettons l'accent sur la formation à tous les niveaux, du niveau des brigadiers village jusqu'au niveau de la portion centrale tous les moyens de la chaîne sont formés par rapport à l'utilisation et à la manipulation, non seulement des pesticides, mais aussi la connaissance, la manipulation et le calibrage des appareils de traitement afin de pouvoir obtenir en tout cas les résultats escomptés pendant les traitements. Donc c'est surtout la formation et la sensibilisation qui est de mise par rapport à ça. Abdoubawa Ibrahim, en cas de mauvaise manipulation de certains de ces produits dangereux, euh, comment faire Toujours dans cette formation, nous apprenons euh, ce qu'on appelle les, premiers secours en, en cas d'intoxication. Même les brigades sont formées par rapport à ça. Donc il y a des premiers soins, n'est-ce pas, en cas d'intoxication qu'il faudra apporter à, la victime. Et c'est cette thématique est dispensée au niveau de ces brigades-là. Ça, c'est les premiers soins. Mais il a toujours été recommandé aux agents de conduire la personne intoxiquée au centre de santé le plus proche de la localité avec la notice de l'appareil, l'étiquette en tout cas qui renseigne sur le pesticide qui a été utilisé. S'il n'y a pas d'étiquette, on recommande aux, agents de prendre l'emballage du produit et d'aller avec le produit au niveau, n'est-ce pas, du médecin ou de, l'agent de santé traitant pour qu'ils sachent de quelle matière active il s'agit. Si c'est des organophosphorés, si c'est des carbamates, si c'est des pyrétronites, afin de pouvoir prendre les dispositions qui s'imposent. C'est un antidote, il l'administre à la, à la victime. S'il n'en a pas, en tout cas, c'est la personne la mieux indiquée pour traiter la victime. Abdoubawa Ibrahim, est-ce qu'il y a une période spécifique où on ne peut plus utiliser ces produits euh, au niveau des cultures La période, euh, il y en a justement. Si vous êtes en phase de récolter un produit, ce n'est même pas la peine de, de le traiter. C'est à la période de maturité récolte. À ce stade-là, il ne faut pas traiter. Sinon, même si vous traitez, il faut attendre au minimum deux semaines avant de récolter. Le temps de permettre à la matière active d'être synthétisée même par la plante. Mais sinon, il est vraiment euh, interdit de traiter une plante, une culture, quand on sait qu'on va la récolter afin de, à des fins de consommation. Même s'il y a une attaque ou bien même si c'est en présence des menaces S'il y a une menace, si vous traitez, comme je l'ai dit, il faut attendre deux semaines. Le temps, en tout cas la période de, de, carence. Donc cette période de rémanence du produit, c'est la période qui va permettre au produit de se dégrader dans la nature ou de l'organisme de la plante à travers le métabolisme et tous les systèmes scientifiques de dégradation chimique qu'on connaît. Donc, si vous savez que vous allez consommer, il ne faut pas traiter. Sinon, si vous traitez, il faut attendre ce temps de carence-là. Ide Yakuba de la Direction générale de l'agriculture, comment faire pour éviter ou faire face aux effets des aléas climatiques C'est difficile d'en faire face parce que la maîtrise de l'eau, du vent, ce n'est pas évident. Mais ce qui est sûr, euh, il y a des pratiques culturelles qui peuvent préserver le potentiel agricole, notamment des opérations de CSDRS. CSDRS, ça veut dire quoi En fait, c'est pour conserver, faire des ailes, conserver l'eau et défendre et restaurer le sol. Donc, il y a des techniques que nous apprenons aux producteurs pour pouvoir protéger le potentiel euh, productif. Il y a certains matériels aussi qu'il ne faut pas utiliser partout. Notamment, je constate qu'il y a des gens qui utilisent euh, les grands tracteurs sur des sols assez fragiles. Là, vraiment, c'est pas conseillé. La charrue est mieux conseillée que mettre un tracteur sur un sol assez fragile. Maintenant, par rapport euh, aux autres cultures également, il y a des cultures qui épuisent le sol. Donc ces cultures-là, on peut les faire par rotation, euh, des systèmes de rotation qu'on peut appliquer. Et comme je vous ai dit en introduction, les champs écoles paysans agro-silvopastoraux, c'est dans ce sens-là, pour que fasse l'apprentissage de comment produire de manière durable sur un sol assez fragile. Maintenant, ce qu'il faut aussi éviter, c'est surtout prendre des dispositions dans les zones d'inondation possible Parce que le plus souvent, les gens, ils s'aiment dans des zones euh, où ils savent bien les bien qu'il y aura l'eau qui va se concentrer. Mais il y a des cultures qui s'adaptent à cette euh, situation. Et c'est ça que il est demandé à ce que les producteurs puissent demander conseil au niveau des agents d'agriculture, au niveau du RECA, le RECA une ligne, en tout cas, il y a un certain nombre d'organisations paysannes et des services techniques qui peuvent répondre efficacement aux préoccupations des producteurs en matière de protection du potentiel productif. Ce qu'il faut ajouter également, c'est le respect de certaines pratiques. Quand vous prenez le cas des aménagements hydroagricoles, les digues sont installées. Malheureusement, il y a certaines qui viennent jusqu'à à côté de la digue, euh, euh, qui procède à des semis. Bon, donc ils fragilisent la digue. Là aussi, il faut que les gens, c'est des normes qu'ils ont observées pour faire bâtir la digue. Mais quand vous touchez à la digue, mais vous fragilisez la digue. Vraiment, c'est ces pratiques-là que les uns et les autres doivent éviter. Et surtout, faire l'alerte à temps. Parce que quand vous voyez une digue menacée, quand vous voyez quelque chose comme euh, Monsieur M. Bao l'a dit, une infestation. Mais il faut alerter, parce que si vous n'alertez pas, si ça atteint un certain seuil, mais c'est trop tard. Il n'a pas parlé du cas du cicadelle, mais c'est le ravageur le plus pernicieux, où on ne constate pas, mais après, le chien n'est plus, on ne peut plus produire là-dessus, parce que les plantes restent naines. Donc il y a tout ça qu'il faut, en tout cas que les producteurs puissent euh, alerter les services et leurs organisations, parce qu'il y a beaucoup d'organisations paysannes qui les accompagnent. Comment faire pour que les matériels et intrants agricoles soient accessibles aux paysans Bon, je pense que celui qui a ses fonds propres peut accéder à ça, parce que l'État déjà, en réduisant le coût à 50%, je pense que l'État fournit un effort important, même si les quantités d'engrais que nous mettons à leur disposition, c'est insuffisant. Parce que c'est de, 27 000, on ramène ça à 13 500. Moi, je pense qu'il y a un effort important qui a été fait. Il y a dans Mais On arrive à détecter euh, le plus souvent euh, des engrais de mauvaise qualité. Comment faire pour euh, reconnaître que tel ou tel engrais est de mauvaise qualité Bon, nous avons des laboratoires ici. L'IMPEX est là pour identifier. Il Vous pouvez amener votre engrais si vous, vous doutez de la qualité, vous amenez, on va vous donner la composition chimique. Donc il n'y a aucun problème. Mais le problème que nous avons, c'est qu'il y a des circuits parallèles qui ne sont pas contrôlés. Et ces circuits-là, je vous assure que le taux de la matière active qu'ils disent que, qui est contenu dans l'engrais, c'est faux. Parce que de plus souvent, on dit 15, 15, 15 ou 0, 0, 0, 46. Des fois, vous trouvez 1, 2, 3 ou 4, 5, 6. Parce que les gens sont à la recherche de l'argent. Les gens se mettent dans une petite usine quelque part, ils produisent leur engrais qui n'est pas soumis au contrôle des, États. Est-ce que des dispositions ont été prises ici au Niger pour euh, lutter contre ces genre Mais c'est pour ça que j'ai dit, quand on introduit les engrais, nous procédons aux analyses. Et les analyses nous donnent un peu la composition. Si ce n'est pas de l'engrais qui est matériellement de bonne qualité, on, on rejette ça. Et je pense qu'en tout cas, jusqu'à aujourd'hui, ce que la CAIMA introduit, nous n'avons pas décelé de, problème là-dessus. Idia tout à l'heure, vous disiez que l'État est en train de fournir euh, des gros efforts. Mais dans certains pays, euh, ce sont les banques qui accompagnent les paysans et autres producteurs pour atteindre euh, des très bons résultats. Pourquoi ce n'est pas le cas ici au Niger <laughs> Le cas au Niger, ce que vous ne voulez pas prendre du crédit, vous voulez tout, tout est gratuit pour que l'agriculture puisse prospérer, il faut un accompagnement des banques. Des banques aussi doivent revoir leur taux d'intérêt parce que c'est ça le problème et surtout les conditions d'accès. Parce que quelqu'un qui amène son champ pour une garantie, la banque ne, ne va pas accepter. Mais l'État a mis un mécanisme de financement pour soutenir les agriculteurs en mettant des lignes de crédit au niveau des différentes banques même si les conditions, je l'ai répété, je le répète plutôt, les conditions qu'imposent les banques sont très difficiles parce qu'ils pensent que l'agriculture est, très risquée. Quand tu injectes ton argent là-dedans, ce n'est pas sûr de récupérer. Et je pense qu'il faut qu'on fasse ça dans un contexte où on commence à faire la maîtrise de l'eau. Les gens qui partent vers les banques, ce n'est pas euh, sur les conditions de pluie, mais c'est avec maîtrise totale de l'eau. Malheureusement, les conditions, quand vous avez un taux d'intérêt de 12, 13 ou 25 on ne peut pas s'en sortir. Surtout qu'il y a la concurrence euh, internationale par rapport euh, aux différentes céréales. Vous prenez le cas du riz, un riz qui est euh, acheté en Asie, qui arrive jusqu'au Niger, qui coûte moins cher que le riz produit localement. Il y a des problèmes. Parce qu'il y a des dumpings qui se font. Les États de là-bas, eux, ils subventionnent fortement. Donc, ils peuvent exporter leurs euh, céréales comme ils l'entendent. Mais malheureusement, ici, chez nous, on n'a pas suffisamment de fonds. En tout cas, le budget n'est pas aussi costaud pour euh, procéder comme ces gens-là. C'est un peu difficile pour euh, l'État, surtout que les chantiers dont l'État doit faire face sont assez nombreux. Idéa que représentent euh, les interventions des ONG et associations pour la prise en charge ou le financement de l'agriculture Les ONG, c'est des, des, structures organisées qui interviennent dans l'accompagnement des producteurs à travers des investissements, bien des financements de l'extérieur. Ce n'est pas leur propre fonds. Mais c'est des fonds mis à la disposition de ces ONG pour pouvoir accompagner les producteurs. Et je pense qu'ils ont en tout cas des apport assez importants. Comme M. Bawal a dit, le terrain, il n'y a pas suffisamment de cadres pour accompagner les producteurs. Ces gens-là interviennent dans le processus d'accompagnement. Donc c'est euh, une intervention complémentaire de ce que fait l'État. Et nous sommes en train d'envisager, bon, c'est même créer une agence nationale pour l'appui conseil où on va faire recours à l'ensemble des acteurs qui poursuivent la vulgarisation agricole, ou bien l'agricole avec grand A, hein, où c'est l'environnement, la pêche, euh, l'agriculture, euh, les produits futurs, tout ça là, pour que les uns et les autres puissent concourir à mieux accompagner les producteurs, pour qu'ils puissent dire aux producteurs, si vous avez besoin, tel besoin, voilà là où vous pouvez trouver votre solution. Parce que maintenant, nous, ce qu'on fait d'habitude, c'était juste l'accompagnement à la production, alors qu'il y a d'autres accompagnements à la commercialisation, à la transformation, au marketing, etc. etc. Tout ça là, l'agence euh, chargée du conseil agricole va essayer de concevoir des messages, bien des formations, pour que les organisations de producteurs, les ONG, les services de l'État puissent accompagner efficacement les producteurs dans le processus de production et la valorisation de leurs produits pour tirer le meilleur profit. Abdoubawa Ibrahim, vous l'avez rappelé, la plupart des produits phytosanitaires sont hautement toxiques, donc dangereux pour l'homme. Est-ce qu'il y a des privés qui commercialisent euh, ces produits phytosanitaires en dehors de la direction de, la protection des végétaux Nous avons ce qu'on appelle euh, les, distributeurs agréés des pesticides. Donc, euh, c'est des personnes physiques ou morales qui ont leur agrément du ministère en charge de l'agriculture. Alors, ce groupe de personnes, eux-mêmes, ils sont encadrés par la Direction générale de la protection des végétaux. Donc, ils sont répertoriés et ils sont suivis. Et les produits qu'ils vendent, généralement, sont des produits qui sont homologués par le Conseil sahélien des pesticides. Donc, ce qui fait que ces opérateurs privés-là sont vraiment sous le contrôle de la Direction générale de la protection des végétaux. Mais toujours est-il que on peut trouver vraiment eh, des cas, en tout cas, de, vente de produits informels qu'on ne maîtrise pas. ça. Mais sinon, grosso modo, on a en tout cas la liste de ces distributeurs-là qui sont en tout cas eh, sous eh, contrôle, sous euh, l'encadrement de la direction de la protection des végétaux. Et à des moments même où on leur donne des formations dans ce domaine-là. Est-ce qu'il y a de la fraude à ce niveau Quand vous êtes distributeur agréé, normalement, il n'y a pas de problème. Vous êtes habilité à acheter et à vendre votre produit sur le territoire national sans aucun problème. Mais cette fraude-là, on peut peut-être la remarquer dans le domaine informel. C'est comme le cas, par exemple, des produits pharmaceutiques. Vous allez voir des, des vendeurs ambulants. C'est la même chose au niveau des pesticides. Aujourd'hui, quand vous partez à l'intérieur du pays, si vous visitez certains marchés, vous allez voir des tabliers qui vendent des produits phytosanitaires. À côté même, peut-être des, produits alimentaires. Vous voyez. Donc, c'est dire que par rapport euh, à cet aspect-là, le problème reste entier. Et que parfois, la Direction générale de la protection des végétaux est désarmée. Nous sommes habilités, mais nous n'avons pas les moyens nécessaires pour mener à bien le contrôle, n'est-ce pas, de cette vente informelle ou de cette fraude-là qui se passe sur l'ensemble du territoire national en cas euh, de signalisation d'un mauvais produit, par exemple, au niveau de ces distributeurs agréés, est-ce qu'il y a des sanctions prévues par la loi Je vous ai dit que les distributeurs agréés, généralement, eux, ils n'ont pas de problème. Ils n'ont pas de problème, ils sont sensibilisés, ils, ils sont formés. Quelqu'un qui vient vers vous, d'ailleurs, pour chercher à, à se professionnaliser, ça veut dire qu'il est de bonne foi. Mais le problème, comme je vous l'ai dit... Et ceux, ceux qui sont dans l'informel C'est là où le bas blesse, justement. Ils sont nombreux. Quand vous partez sur, l'ensemble du pays, vous, allez les trouver. Mais, comme je l'ai dit, on n'a pas les moyens nécessaires. Nous sommes habilités à faire des saisies, mais nous n'avons pas les moyens nécessaires qu'il faut pour faire, en cette action-là. Malgré qu'on sait que c'est vraiment euh, une, une activité très dangereuse qu'ils sont en train de mener, surtout qu'elle est lucrative. Vous voyez, c'est vraiment une problématique pour la Direction générale de la protection des végétaux. Est-ce que des mesures sont en train d'être envisagées dans ce sens je vous ai déjà dit que même le, dispositif traditionnel de la Direction générale de la protection des végétaux, est fragilisé par une insuffisance de cadres pour faire sa mission à lui assignée. Donc le gros problème, c'est l'insuffisance des cadres. Si on avait suffisamment de cadres, on pouvait mettre en place une brigade phytosanitaire qu'elle peut sillonner tous les marchés où on pense trouver ces produits et les saisir et les détruire. Et même sanctionner les ventes qui les vendent parce qu'ils ne sont pas habilités à le faire, ils ne sont pas autorisés à le faire. Idi Yakuba de la Direction générale de l'agriculture, proposez-nous rapidement quelques pistes de solutions pour l'atteinte des objectifs de la fin zéro. Je pense que votre rôle est important. Il faut que les messages que vous envoyez sur le terrain, peut-être en collaboration avec euh, la DGPV, vous puissiez faire des messages pour dire que ces produits-là sont dangereux. Parce que même si on met une brigade là, la fraude va continuer. Peut-être les prix vont augmenter même euh, à, ceux qui ne savent pas. Mais si on sensibilise, on, vous faites des messages à l'endroit de ces gens-là, je pense que ça peut bel et bien avoir des effets positifs. Votre rôle est important. Il faut que peut-être vous vous menez, mais si c'est ailleurs, on va nous dire d'amener de l'argent pour faire ce débat-là. Donc euh, ça aussi, c'est important à souligner. Par rapport à la fin zéro, la fin zéro, là, c'est c'est très simple. Il y a deux ou quatre mesures à prendre. La première mesure, c'est la formation des hommes. Il faut que les producteurs. Il faut investir au niveau des, ressources, humaines. ressources humaines. Deuxièmement, si nous ciblons quatre filières, quatre cultures, nous pensons que on peut arriver à la fin zéro. Les cultures là, c'est quoi Nous avons entamé un processus pour la promotion du manioc. Il y a déjà eu l'opération bouture de manioc, de manioc. donné. Non, mais ce n'est pas que ça n'a rien donné. Il faut aller sur le terrain. Mais le problème, c'est que c'est l'accompagnement du processus qui n'a pas suivi. Parce que si vous produisez du manioc, vous ne pouvez pas consommer uniquement du manioc, il faut le transformer et mettre un dispositif de commercialisation. Ça, tapioca, euh. Tout, tout. La deuxième culture, vous prenez le sorgho que nous avons. Nous avons des variétés qui font 4 tonnes à l'hectare. Il suffit d'investir là-dedans. On peut tripler la production en sorgho. Troisième culture, nous avons le maïs. Malheureusement, notre production de maïs est dérisoire, mais nous avons des sols qui sont aptes à faire le maïs. on peut investir dans le maïs et on peut s'en sortir. Et la quatrième céréale, c'est le riz, où nous pouvons on peut même ne pas importer le riz. Non, je vous assure, je vous dis que nous produisons environ, dans les statistiques, ils disent 100 euh, et quelques mille, mais l'enquête que nous venons de conduire, c'est au-delà de 300 000 tonnes. Et les 300 000 tonnes, les 250 vont au Nigeria. On, ne les transforme pas, on les transforme au Nigeria. Le son, la fine brise, tout ça là nous revient avec euh, des prix chers les quatre euh, cultures mais l'accent là-dessus, nous pouvons atteindre la fin. Vos propositions de solutions rapidement, Abdoubaou Ibrahim Les propositions de solutions, c'est de, songer vraiment à pourvoir les postes vacants en agent. Parce que voyez-vous, les anciens, les doyens partent à la retraite. Il n'y a pas la relève. Il n'y a pas la relève. Les recrutements, même s'ils existent, sont très timides. Donc, il faut songer à ça. Deux, comme je l'ai dit, euh, dans le cadre euh, des infestations, la signalisation précoce doit être de mise pour parer à toute, en tout cas, éventualité. La troisième chose, c'est de songer à renforcer les équipements d'intervention au niveau des différents départements qui sont endémiques aux invasions. Renforcer, c'est quoi Ça veut dire qu'ils aient des véhicules, en tout cas, bien adaptés avec des appareils autoportés. Et quand on a ces équipements-là, on peut un peu remédier à l'insuffisance des agents d'encadrement. Parce qu'un département, en tout cas sensible, qui a son véhicule pick-up et son appareil autoporté. Il peut en tout cas parer à toute éventualité. Et enfin, il faut, comme euh, l'a dit le, le collègue ID, sensibiliser sans cesse sur les dangers liés à l'utilisation des pesticides. Nous sommes au terme de ce forum d'Institut studio Kalangou. Nous avons eu le plaisir de recevoir Ide Yakuba de la promotion des filières végétales et de la qualité à la direction générale de l'agriculture au ministère de l'agriculture et de l'élevage et Abdou Bawa Ibrahim, directeur des interventions phytosanitaires et de la formation à la direction de la protection des végétaux. Nous avons également invité la plateforme paysanne à ce forum, mais aucun représentant de cette structure n'a pu y participer. Merci à nos invités et à vous tous pour votre fidélité au programme du studio Kalangou qui vous parvient grâce à nos 34 radios partenaires. Merci, au revoir.